il est un peu caaxaan <laughs> Amna ham, xam mais il est un peu caaxaan il vient ici il cëppi cëppi à gauche il cëppi à droite il sort un mouchoir blanc Dougalat koti poche binelen maintenant Et on finit, Président, avec une note de tristesse. Sidi Kunta bu fekkee woon lii absolument xolam dina sedd tout à fait